salaamaaleykum ah le patriote na ngeen def yoot da ngeen defal njaboot yi ba kenn woppul ma yéen am ngeen deux minutes seen taawam am ngeen <laughs> wallaay aji baji ba ko hmm. je voulais que ñun ñëpp ñu àndandoo remercier deux personnes que je vais citer deux personnes vraiment qui sont vraiment vraiment des personnes yu ma am estime ci ñoom

Et malheureusement, on est dans un pays où on peut dire que, ok, Anta comme Diom ça na dem élection mais Mary ça nous sañul dem ci élection <laughs> c'est vraiment absurde Et nous ku que nous estimons te le simple fait que nous gagnons ci gouvernement Macky Sall Macky Sall wan nañu ne moom ça nous a permis ça nous a ouvert les yeux et nous dire que ok ce président ce n'est pas un travail beaucoup en ak en tout cas beaucoup faire bien les choses donc professeur, nous, nous, vous disons merci beaucoup et bienvenue dans PASTEF ou ex-PASTEF ou je ne sais pas quoi dire. En fait, dans la coalition euh, du moins président 2024. Et que le fait que Ngoch dire cette, euh, ce parti-là, cette coalition, me rassure pour nous et me permet de dire que de me dire moi-même que je n'ai pas fait un mauvais choix pour de soutenir ou bien de devrait en tout cas pour que rek projet bu Pastef bi accéder au pouvoir beneen bi des mois Tata Mimi man depuis un certain temps je me suis dit il y avait que deux opposants au Sénégal deux opposants depuis bi ñu séquestré Ousmane Sonko ñaar nit ñoo nekkoon di opposé opposés au Sénégal kenn ki Tata Mimi la kenen ki Mamadou Lamine Diallo mhm. ñi ci des ñep on ne sait pas ce qu'il faisait Moi, je je le savais pas si c'est opposé ils l'ont pas bien fait si c'est opposé, ils l'ont fait avec euh, peut-être lâcheté ou je ne sais pas quoi, par euh, euh, peut-être égoïsme, je ne sais pas. mais bon ça ne s'appelle pas s'opposer dans un pays où l'état de droit on dit que c'est bafoué on dit que les gens souffrent on dit qu'il n'y a pas de de, de justice ça ne s'appelle pas s'opposer et je vous jure les deux seuls opposants qui étaient là depuis public séquestrée séquestré Ousmane Sonko les détenus politiques c'était Tata Mimi et Momou Glamine Diallo peut-être le numéro du donc nous, patriotes nous remercions voulons remercier Tata Mimi et aussi remercier professeur Maritonian. donc et là s'il y avait eu un ñenn ñoo xam ne nañ le projet PASTEF rien que rek ngeen gis ci ba professeur Mary Taw Niane ak Tata Mimi ñu adhéré ci ñëw ne dañuy jàpp ci loolu pour mu accéder au pouvoir vous pouvez tout de suite vous dire que ok donc vous avez fait le bon choix vraiment donc loolu laa ne woon naa indi ko ci wax ji voilà wax dëgg yàlla yaakaar nañ bu baax a baax a baax ne projet bii bu ngeen ko gungee ba mu yegg ci cëppaandaw gi Sénégal dina changé Tata Mimi ak ñeneen ñeneen ñu war a ñëw donc merci remercier et je parle au nom de tous les je me permets de le dire <laughs> merci beaucoup encore une fois système judiciaire <laughs>